Si c'est bon, nous sommes. Hein? Donc, Massène Papasgei, uh-huh. mandataire national de la coalition JAO 2024, mm-hmm. qui a comme candidat le président Elage Moumoudou Diao. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous signifier euh, le motif de votre euh, convocation aujourd'hui Donc hier, on a reçu le coup de fil du Conseil constitutionnel nous convoqua aujourd'hui mm-hmm. à 10h on est venu, on a trouvé dans la salle d'attente les autres mandataires. Mhm. Le greffier nous a appelés et nous a notifié trois recours. Le premier recours est dirigé contre le candidat Karim Mouaïsawad, le deuxième recours contre le candidat Cheikh Tidjan et le troisième recours contre Bassirou Diomaye Jaher Faye. Mhm. Cela veut dire tout simplement que le candidat Elaji Momodou de la coalition Diao 2024 n'est pas concerné par un recours. Mais à titre informatif, on nous a donné ces différents recours-là comme on est candidat. Donc nous lançons un appel au peuple sénégalais de s'organiser autour de la candidature de El pour montrer au reste du monde que El est la solution pour le Sénégal de demain. Est-ce que vous avez eu le temps de, de les, documents euh, Oui, on a lu les, documents. Mhm il y a des griefs qui sont, reprochés à ces trois candidats et je sais que leurs mandataires sont mieux placés pour en parler. Moi, je dois rentrer au QG pour discuter avec la conférence des leaders mhm. et voir quelles sont les, euh, démarches à faire pour commencer à installer dans les différentes localités du pays les comités électoraux et se préparer à partir des 4 pour aller en campagne électorale. Donc, nous avons convoqué le Conseil constitutionnel à titre informatif comme ñun sommes mandataire coalition Diao 2024 pour wax ñu ne Amn'a na ay recours yoo xamante parti politique ak ay coalition yu ko intenté contre trois candidats qui ki Bassirou Diomaye Fayla, la qui ki Cheikh Tidiane quelqu'un qui est Karim Maïsawad. Nous avons na ay griefs que nous di reprocher et je sais que leurs mandataires sont mieux placés pour en parler nous li ñu wax euh, recours amul ben grief bo xamné reprocher nañ ko suñ candidat Elhadji Mamadou Diaw ak suñ coalition Diaw 2024. waaw dañuy préparer par rapport à lolu ah hein? amone ngeen ci ay écho par rapport ak li nga non non amaguñ amaguñ woon écho c'est vrai que vos confrères ont eu à le dire au niveau de la presse. mais ñun document yi nga xamante jot nañ ko conseil constitutionnel mom lañuy japp comme argent comptant. li ñuy waxal sénégalais jot nga xol document yi lan lañ cee ci lan lañu topé ñetti candidat yi. wa ñi ñu ngi leen di reprocher ay nationalité ñeneen ñu ngi leen di reprocher yeneen grief yo xamante comme ni ma ko waxé rek seen mandataire dina ko wax. ñun luñ mën a wax peuple sénégalais rek mooy que pare nañ pour former comité électoraux yi dans les communes dans les départements jëm élection à partir du 4 février InshAllah. allah maa ngi gërëm presse bi nak occasion la pour ñu gërëm leen sant leen gis nañ seen taxaway pour transparence élection yi merci beaucoup. jërëjëf euh, ñu koy sant bi ko gërëm bu baax Thank you.